le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du forum forum Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le Forum de la presse. Le Forum de la presse, pour rappel, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du Forum de la presse de cette semaine, volet politique, le Niger vient de franchir une étape non moins importante avec la tenue des élections municipale et régionales de dimanche 13 décembre 2020. Analyse à suivre avec nos confrères sur les conditions de déroulement de ces scrutins. Volet politique toujours avec cette affaire qui continue de faire ce qui de faire couler beaucoup d'encre et de salive, celle de la nationalité d'origine de Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tarea, parti au pouvoir. À propos de l'éligibilité de ces derniers, de nouvelles requêtes ont été introduites à la Cour constitutionnelle par sept candidats aux élections présidentielles, nous reviendrons sur ces requêtes répétitives ainsi que sur la sortie médiatique de Salou Jibo, président du parti PJP Doubara. Volet sécurité de ce forum de la presse, nous parlerons de l'attaque meurtrière de Tumour dans la région de Difa et aussi l'assassinat du marcheur de la paix de la même région de Difa. Pour discuter et analyser ces faits de l'actualité, nous avons invité nos confrères Elage Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter. Elage Suleiman, bonsoir. Bonsoir Alassane. Nous avons également avec nous Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan, bonsoir. Bonsoir. Et Maimouna Diado également, journaliste indépendante. Maimouna, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de ce forum de la presse. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 18 décembre 2020. Le dimanche 13 décembre 2020, plus de 7 millions de Nigériens étaient appelés aux urnes pour élire les conseillers régionaux, municipaux et des villes. Ces élections locales, faut-il le rappeler, ont été reportées à plusieurs reprises depuis 2016. Alors, Elage Suleiman Mahmadou du journal en ligne Niger Inter, n'est-ce pas un défi majeur qui vient d'être euh, relevé et par la même occasion un ouf de soulagement pour les populations euh, On peut le dire euh, pour au moins quelques raisons. la première, on le sait, la CENI avait dit à l'occasion d'une réunion du CNDP que elle ne peut pas tenir ses élections en tout cas selon son chronogramme, elle a dit que elle ne peut pas, il faut le reporter. Mm. Mais les politiciens se sont euh, concertés. Euh, vous, vous souvenez, à un moment, Sir Omar allait voir euh, le président Issou. Finalement, la CENI était donc un peu sommée de le faire et effectivement, ça c'est quand même un élément important et donc euh, obligé de coincer son, son chronogramme. Mm. deuxième raison, euh, vous avez reçu le rien que le 10 euh, décembre dernier, mm. le vice-président de la CENI a fait un ultimatum, un partis au parti politique d'amener leur logo et leur signe euh, donc distinctif donc pour faire les, bulletins. Une des raisons de retard, en tout cas, des bulletins de, vote, c'est aussi les partis politiques qui n'étaient pas à jour, en tout cas, qui n'ont pas été vraiment alertes pour effectivement transmettre les documents qu'il faut à la, à CENI. Mm. En tout cas, ça présage que si on corrige les manquements constatés, on va faire les et les présidentielles, en tout cas, vraiment, de manière vraiment plus, en tout cas, euh, transparente. en tout cas, il y aura moins de problèmes parce que c'est un test qui vient d'être. Et ça euh, permet déjà de euh, relever ah, les ah, insuffisances pour pouvoir améliorer avant les Hassan Boukar, quel est. Alors, c'est réussir à organiser des élections qui ont été reportées à plusieurs reprises, c'est vraiment un coup de chapeau, n'est-ce pas, Ceni Oui, je pense que c'est quelque chose de bien. Euh, les élections locales, pour moi, font partie des élections les plus importantes, mm. parce qu'il s'agit avant tout d'élections de proximité. Pour les citoyens de la commune, le maire, le conseiller, c'est quand même votre interlocuteur direct. Vous êtes beaucoup plus en contact avec eux sur les réalités de la vie quotidienne qu'avec un parlementaire ou le président de la République. Donc pour moi, c'est des, vraiment des élections importantes. Alors c'est bien que ces élections se soient déroulées dans le calme. Je pense que euh, on, a, on a dit beaucoup de choses sur euh, la sécurité, sur le contexte dans lequel ces élections seront organisées, euh, sauf euh, dans la région de Difa, où pendant cette période, euh, il y a eu des attaques. Je crois qu'on va revenir sur ces attaques de la Et déjà, c'est un pas important de, oui, comme le, disait Elage Suleiman, c'est aussi du test avant les élections législatives et présidentielles du 27 ça, décembre ça, prochain. Ça, permet de voir comment, comment ça a été fait et quelles sont les erreurs. Par exemple, on viendra, j'imagine, sur les, les, les, conditions dans lesquelles ça s'est déroulé. Mais le fait d'arriver à le faire, on sait que pendant dix ans, on n'a pas fait ces élections. Donc le fait enfin de faire ces élections, je pense que c'est une bonne chose. Mme Diado je ne peux que également euh, emboîter le pas de mes confrères. Euh, en fait, c'est vraiment un pari gagné pour euh, la CENI. Euh, parce que nous savons également les enjeux donc, que comportent justement donc ces élections municipales et régionales. Mmh. Et ça a été reporté plusieurs fois. Il fallait décaler, il fallait avoir un consensus autour donc, S'il faut les organiser avant ou après les élections présidentielles. Mais quand <clears throat> même, maintenant, tout le monde euh, a vu, les élections se sont passées, donc on ne peut que euh, dire chapeau donc à la série mm. pour euh, son implication euh, total donc euh, dans euh, bien sûr la tenue donc de ces élections municipales et régionales. parlons des conditions donc justement de déroulement de, ces scrutins. Les reporters du studio Kalango en tout cas ont sillonné plusieurs centres de vote ici à Niamey et des informations nous ont aussi été rapportées par nos correspondants régionaux. les constats sont à peu près les mêmes, notamment le retard dans l'ouverture des bureaux de vote dû au retard ou à l'absence donc euh, de certains agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI ou encore la suspension, la suspension des opérations de vote euh, par manque ou absence de logo de certains partis politiques euh, sur les bulletins. Comment expliquer, expliquez-vous certains de ces manquements et comment peut-on prévenir ces genres de manquements euh, les manquements, ça ne manque pas. Euh, on ne peut jamais, donc, euh, en fait, réaliser ou procéder à des élections 100% sans manquement. Et je pense que, comme vous venez de le dire à l'instant, que c'est des constats, c'est des constats que nous-mêmes nous avons malheureusement suivis. Euh, il y a des bureaux de vote qui n'ont pas ouvert à l'heure euh, exacte. Euh, il a, fallu vers 11h midi pour que les électeurs puissent commencer à voter. Il y a, comme euh, euh, vous venez de le dire à l'instant également, des bulletins euh, qui ne comportent pas de logo de certains partis politiques mm. qui devraient être dans cette localité votée, donc qu'on doit voter. Donc, Sur le cas notamment à Maradi, c'est la commune 3 où je sais a été à Maradi. Voilà. Mm. Donc c'est vraiment c'est des, des petites choses parce que il ne faut pas euh, voir que c'est de grandes choses. Je sais que c'est grand pour d'autres, c'est vrai. Si les lecteurs aujourd'hui qui se lèvent le matin euh, à 8 heures, euh, qui voudraient voter et qui ne peuvent pas voter jusqu'au-delà de 11 heures midi, et ça réduit également les, chances de certains partis politiques aussi, parce que les <laughs> électeurs n'ont pas que ça à faire. Mm. Et voilà, donc euh, vraiment, euh, c'est des choses qui arrivent, mm. et je suis sûr que la CENI tiendra compte donc de ces erreurs-là pour pouvoir corriger pour ce qui est des élections prochaines. Mm. Alors, Hassan Boukar, ces, ces, manquements qui ont été constatés. Est-ce que c'est le même constat que vous-même vous avez fait, vous avez fait euh, d'après le terrain et c'est que les, en tout cas les informations qui vous ont été rapportées Et comment est-ce qu'on explique euh, certains de ces manquements je pense que parmi les manquements, presque tout le monde parle de retard parce que les retards ont été vraiment importants en fait. C'est comme si certains bureaux ont divisé la journée en deux. Si vous arrivez à la mi-journée, vous n'avez que l'autre moitié de la journée pour faire les élections. Or, je crois que dans le code électoral, il y a quand même une durée pendant laquelle. Euh, je pense que bien qu'on parle de 11 heures. 11, heures. Alors, quand, vous arrivez. les le début, c'est 8 heures. Voilà. Quand vous arrivez à midi ou à 13 heures, comptez 11 heures, ça vous amène tard euh, la nuit et donc je pense que si d'aventure des gens tenteraient d'attaquer les résultats d'un bureau de vote, ça peut aller à des situations inconfortables à mon avis. Mm. Donc ces retards, certes on est habitué à des retards, 30 minutes, une heure, on mm. peut comprendre, mais finalement toute la, matinée que les bureaux soient fermés, ça c'est un problème. L'autre chose euh, que moi j'ai remarqué, par exemple, je ne sais pas les raisons pour lesquelles euh, les choix des bulletins ont été faits. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé de voir plusieurs logos en fait sur une même fiche. C'est-à-dire que la démarche qui a été faite, c'est que le bulletin unique pour ces le, sur le bulletin, vous avez un bulletin sur lequel vous avez par exemple, dans le cas de Niamey, euh, pour les élections locales, vous avez plusieurs logos en miniature en face desquels vous avez le carré sur lequel vous apposez vos carré Alors, j'ai l'impression que moi, j'aurais vraiment préféré les, les, les bulletins uniques pour chaque candidat. Euh, pour chaque, parti politique. Oui, ça a un coût. Alors, le fait de le faire sur une même feuille, on gagne en ressources, mm. mais pour moi, c'est beaucoup plus clair de le faire, n'est-ce pas, sur, euh, sur des fichiers. C'est quoi le risque Vous pensez que cela pouvait eh ben, tromper écoutez, euh, ces écoutez, pays, quand même, tout le monde ne sait pas lire les logos. Vous les avez en miniature. Euh, quelqu'un peut-être euh, qui, perd du temps à identifier quel est le parti et tout ça. Les logos, à mon avis, moi, je préfère encore les logos par parti mis dans une, euh, dans une enveloppe, et puis on les fait comme de par le passé. Alors là, qu'est-ce que vous faites Moi, le bureau dans lequel je voté, vous prenez les deux fiches à la fois. Donc, c'est écrit en fait sur les fiches euh, élections au conseil mm. des villes et élections euh, municipales. Alors, quand vous arrivez, on vous dit de plier et vous avez les deux, les deux urnes. Donc, vous mettez selon l'une qui convient. Mm. Euh, par contre, il y, a des, y a des bureaux de vote dans lesquels vous votez un à un. C'est-à-dire, vous venez prendre le bulletin pour les, le conseil des villes, mm. vous partez, vous, choisissez qui vous voulez, vous venez, vous introduisez dans le euh, dans l'urne, mm. puis vous repartez faire le second. Mais mm. si vous avez les deux, moi par exemple là où j'ai voté, vous prenez les deux à la fois. Et donc, je me suis vraiment posé des questions. Mm. D'un point de vue technique, est-ce que c'est la meilleure démarche Est-ce que la CNI a de bonnes raisons pour le faire Mais pour moi, dans un pays où vous avez beaucoup d'analphabètes, des gens qui peuvent, qui peuvent mettre du temps à identifier un logo et tout ça. Et cela peut-être aussi peut augmenter le risque de bulletin nul oui, parce que vous pouvez confondre, à mon avis, ça peut arriver. Vous pouvez confondre quand vous le faites. Mais lorsque vous le faites euh, par vote, je pense que c'est beaucoup plus facile. Mais si vous avez les deux, à mon avis, il y a des risques de, de, de, de confondre. Et moi, je n'ai pas beaucoup aimé. Mm. Il a fallu. Alors, euh, une des fiches est plus grande, l'autre est plus petite. Alors quand j'arrive au non. la plus petite c'est ici. Bon, bon, moi je peux lire, c'est facile. J'imagine quelqu'un qui ne sait pas lire. Comment, comment, elle va gérer Donc moi, franchement, ça peut ressembler à un détail, mm. mais pour moi, d'un point de vue pratique, je n'ai pas beaucoup apprécié ce, mm. choix. Je me dis que ça aurait pu être fait autrement. autrement. là, Suleiman, oui, vous voulez réagir Oui, justement, par rapport à la question des bulletins. en fait, surtout ce qu'il dit, ce n'est pas le fait que les bulletin soient unique, mais c'est le fait que les gens ont fait campagne sans bulletin. Parce que la campagne, en vérité, c'est venir avec le bulletin, montrer aux gens, voilà moi ce qu'il faut voter pour moi. Les gens n'ont pas les bulletins pendant, la campagne locale. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un handicap majeur en termes de campagne. Et du coup, beaucoup d'électeurs vont découvrir... parce euh, que lorsque les gens ont leur, euh, leur bulletin, ils vont sensibiliser les militaires ceux qui sont sur le terrain, on va les laisser, ils vont sensibiliser encore. Ce qui fait que quand tout le monde va venir au vote, il est bien informé, il sait où qui il doit voter. Donc ça vraiment c'est un handicap majeur. Et j'ai dit quelque part aussi, les partis politiques sont responsables de ce manquement. Hmm. Euh, maintenant, euh, pour le reste, euh, je pense que c'est, il faut apprécier aussi l'évolution, l'innovation, à savoir le fichier. Hmm. Euh, le fichier, en tout cas, euh, parce que vous voyez aujourd'hui, en fait, l'élément le plus important, c'est la limitation, la réduction des fraudes. Hmm. Euh, il n'y a qu'une seule, une seule personne qui peut voter. Hmm. Et encore, pour, voter pour quelqu'un, il faut une procuration, vous voyez. Donc, ce qui fait que véritablement, et aussi un autre élément important dans le processus d'enrôlement, peut-être qu'il faut le dire, l'auto de participation, qui est un élément important, en tout cas, on est surpris D'habitude, le local, les gens vraiment ne s'intéressent pas beaucoup. Mais cette fois-ci, euh, le, taux du président, en tout cas, on n'a pas ça officiellement, mais mm. en tout cas, les gens sont sortis voter. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce que l'ornement il faut que tu te déplaces, contrairement à avant, en tout cas, tu vois. Mhm. Tu vas venir toi-même. Il y a déjà euh, des efforts qui ont été fournis au départ, donc il faut aller au bout. que tu viennes toi-même euh, peut-être t'enrôler, il y a une volonté, une motivation à venir voter. en tout cas, on a constaté que le taux en tout cas, était vraiment euh, appréciable, en tout cas, de mon point de vue. Donc, je pense que maintenant, ce qu'il faut dire, il faut se réjouir donc que on va améliorer justement ce, en tout cas tous ces manquements et je pense que le test permettra en tout cas en tout cas, ça augure en tout cas des élections. Parce que l'élément important aussi qu'il faut noter, hmm. parce que tout est clair et fluide, au niveau des PV, il y a moins de problèmes parce que tout simplement, tous les partis politiques sont là, tout est clair en compte, euh, et les... gens signent. Alors que d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de confusion, les gens ont voté plusieurs fois, ce qui fait que quand on vient maintenant pour, les PV, il y a une bagarre entre les partis mm. politiques. Cette fois-ci, vraiment, en tout cas, on a fait économie avec ce genre de, difficultés. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose Moi, je veux dire, par euh, exemple, un, des aspects qui est difficile à juger, c'est la corruption. Mm la corruption autour des... Les achats de conscience, vous les achats de conscience autour des, des, des opérations de vote. C'est difficile à matérialiser. Hum. Mais si vous écoutez les réseaux sociaux, c'est comme si c'est finalement devenu une habitude. Les gens, il y a toujours ces choses qui se passent. Maintenant, c'est difficile à matérialiser, en fait, ces choses. Et à documenter. <laughs> Voilà. <laughs> Maintenant, je me demande euh, une institution comme la Alcia, dont un des rôles, c'est de prévenir euh, et de lutter contre la corruption. Je ne sais pas si elle a a un dispositif qui a été mis en place, euh, effectivement. Je pose la question. Pour Bien, nous passons euh, au second sujet. Restons toujours dans ce chapitre politique euh, pour parler de l'affaire euh, de nationalité d'origine du candidat du Pendestaria Bazou Mohamed. Les acteurs politiques de l'opposition, notamment, ne lâchent pas l'affaire. Sept candidats aux élections présidentielles et législatives prochaines ont introduit une nouvelle requête à la Cour constitutionnelle afin que cette dernière déclare inéligible à l'élection présidentielle M. Bazou Mohamed, candidat du Pendestaria. Alors, Hassan Boukar, comment expliquer la motivation et la ténacité de ces candidats à voir Boise Mohamed éliminé de la course au fauteuil présidentiel ben, C'est de bonne guerre. Je pense que on peut l'apprécier de, plusieurs façons. On peut voir des candidats euh, qui partent avec un autre, qui apparemment ne remplit pas les conditions, puisque c'est ce qu'ils disent. Donc, de lors qui ne remplit pas les conditions, c'est logique que les gens cherchent à dire ben, s'il ne fait pas les conditions, il doit être sanctionné, d'autant plus que d'autres candidats ont été sanctionnés. Puisqu'il y avait, je crois, une quarantaine de candidats. Il y a une dizaine qui ont été déjà sanctionnés pour ne pas remplir certaines conditions. Alors, ceux qui posent ceux qui persistent ont l'impression qu'il y a un candidat qui fait l'exception, en particulier les candidats du pouvoir. Donc, les autres se battent en disant non, s'il y a une sanction, la justice veut qu'il soit sanctionné comme, comme, les autres, euh, comme les autres candidats. Maintenant, la deuxième chose, mm-hmm. bon, les gens disent, euh, écoutez, c'est une disposition constitutionnelle, ce n'est pas quelqu'un qui en veut euh, au candidat du PNS. La Constitution dit, il faut être nigérien d'origine. Et donc, il y a un certain nombre d'informations qui circulent, qui laissent croire qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires par rapport à la candidature de M. Bazoum. Mm. Et pour moi, une des choses ce que j'interroge, c'est un peu, par exemple, euh, euh, sa sortie sur la télévision nationale où il avait, à la suite euh, d'une plainte déjà déposée par certains de ses adversaires, mmh. avoir fait lui-même des déclarations. Ces déclarations ont été remises en cause par la Cour. Mmh. Qui, bon, par rapport au numéro d'une pièce. par exemple Il avait annoncé avoir été attaqué sur une pièce, je crois, dont, le numéro a été annoncé par ses adversaires. Mmh. Alors, tout le monde dit que M. Bazoumali qui n'a jamais utilisé, qu'il ignore, qu'il ne connaît pas cette pièce, mais la Cour rappelle qu'il l'a déjà utilisée en 2016. Donc, ça fait une position un peu gênante, à mon avis, qui fait que finalement, les gens euh, peuvent continuer à douter davantage sur cette euh, question-là. Et c'est là motive le fait que les gens veulent aller jusqu'au bout. Oui, je pense que d'abord, euh, euh, c'est imaginez, vous avez, c'est quand même les candidats du pouvoir, M. Bazoum. Oh, oh, je pense que euh, tous ceux qui citent des, favoris dans cette élection le citent aussi comme favori. C'est donc un adversaire pour les autres. Il, Il est donc tout à fait normal que les gens posent cette question. J'ai l'impression que c'est vraiment pour la première fois qu'on a un problème de cette nature, de cette taille sur, sur les élections, sur la, portant euh, sur, la nationalité. Voilà, portant sur la nationalité, au point où on est parfois surpris un peu par la façon dont le débat se pose. Mais j'ai l'impression que alors, je me demande, est-ce que c'est finalement devant les tribunaux que cette question aurait-elle pu être réglée euh, Est-ce que ça révèle finalement tout le manque de consensus, tous les conflits qui ont traversé la classe L'intérêt que peut-être le Conseil national du dialogue politique aurait pu euh, euh, peut-être... le Conseil, pas seulement le Conseil, mais je veux dire, je pense que pendant ces deux, trois dernières années, on a quand même tous déploré le manque de consensus entre les acteurs politiques. Je pense que ceux qui ont le pouvoir considèrent qu'ils sont suffisamment forts pour faire ce qui leur semble bon. Les autres ont toujours décrié. Euh, la preuve, on parle d'élection. Euh, je pense que l'opposition n'a jamais pris sa place au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a, à mon avis, une sorte de malaise qui traverse la classe politique qui fait que cette affaire de Bazoum et, peut-être aussi une des manifestations de ce malaise sur la classe politique, etc. Bon, alors, hmm. les gens sont quand même à l'aise en disant, écoutez, c'est la Constitution qui pose, et donc, en nous engageant, on défend une, disposition de la Constitution. Oui, de ce point de vue, ils ont tout à fait le droit de le faire. Maimouna Diado, comment vous, vous, lisez cet acharnement entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi, de ces candidats, en tout cas euh, à la présidentielle, euh, donc, qui sont à l'opposition qui euh, introduisent à nouveau euh, une requête au fin de, déclarer l'éligibilité, en tout cas inéligible, le candidat du Pendestaria. Euh, est-ce que c'est comme Hassan Boukar l'a rappelé, cela traduit un malaise de longue, de longue date Justement, justement. Entre les deux camps. entre les deux camps, il n'y a jamais eu donc de pourparlers sérieux. Euh, il n'y a jamais eu de consensus. Les élections ont été euh, boudées, même pas les, élections, le processus même a été boudé par euh, les, les autres, donc les opposants. Et je me dis que en introduisant les requêtes, euh, il veut tout simplement également montrer que nous sommes en politique. Et en politique, il y a plusieurs cartes qu'il faut jouer avec. Donc, euh, peut-être l'opposition et les autres partis politiques aujourd'hui qui contestent euh, la nationalité de Sir Bazoum veut tout simplement également montrer qu'ils détiennent, par exemple, peut-être, qui sait, parce que personne ne sait aujourd'hui, peut-être qu'ils ont des nouvelles preuves de ce qu'ils avancent. Personne ne sait. Euh, eux, ils le savent peut-être. Et je me dis qu'ils sont également dans leurs droits ils sont également de leur, dans leur droit mm. euh, de, de, de, porter plainte et d'introduire de, une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle euh, revienne encore euh, clarifier les choses. Et cette fois-ci, ça ne sera pas également pour les politiciens, mais ça sera euh, l'opinion nationale qui sera peut-être euh, également mis au parfum mm. de cette situation. Parce que quand vous regardez, d'abord c'était l'opposition euh, avant l'opposition, c'était d'autres candidats au niveau donc euh, de DIFA qui avait avaient saisi la cour à un moment donné de DIFA. Et parallèlement, il y avait, parallèlement, il y avait également l'opposition. Voilà. Il y a l'opposition et après l'opposition aujourd'hui, vous voyez, c'est l'APR l'APR qui vient. Euh, nous allons en venir, Memouna, L'APR et puis Salou Joubo aussi qui sort. Nous allons en parler, nous allons en parler, Memouna. D'accord, je me dis que vraiment, peut-être qu'ils ont de nouvelles preuves qu'ils vont introduire, qui sait, personne ne sait. Elal Suleiman Mahmoudou, comment vous lisez euh, cette série d'événements euh, dans le fait de la question de nationalité et d'origine du candidat du Pendestaria Donc, pour moi, nous sommes euh, en campagne électorale. Donc, en politique, tous les coups sont permis. donc, je vois en cela une posture politique euh, la question a été appréciée à deux reprises par la Cour constitutionnelle. Mm. Euh, à deux fois, elle a rejeté, même en introduisant donc les nouveaux éléments qui consistent à dire que euh, il y a deux, sinon même trois certificats de nationalité, dont un seul numéro. Mm. La Cour a considéré que ces éléments c'est imputable à l'administration, euh, ce ne peut pas être la responsabilité du candidat Bazoum. Euh, donc, c'est dire que véritablement, si les requêtes, les autres plaintes qui vont venir, s'il n'y a pas de nouveaux éléments, elles vont subir euh, certainement le même sort. Mmh. Mais maintenant, ce qui, est, ce qui est inquiétant, c'est le fait que de considérer que tant que la Cour ne disqualifie pas Bazoum, elle ne dit pas le droit. Et, les gens sont dans, leur bon, droit de toucher le juge. Hmm. Les journalistes que nous sommes, les, les, les, avocats, les juristes, les hommes politiques, chacun joue son, de, faire leur, débat. Hmm. Mais en dernière instance, hmm. c'est les juges de la Cour constitutionnelle qui, vont trancher. Et de ce point de vue, ça fait un débat assez gênant lorsqu'on on veut forcer la main, en tout cas, de le droit dans un sens ou dans, dans, tel, autre. Euh, l'autre élément euh, d'appréciation de cette, question, hmm. euh, vous voyez, quand il dit c'est une posture politique, hmm. comment considérer, comment accepter que cela qui voudrait en tout cas dire que Bazoum n'est pas nigérien, c'est pas la première fois qu'ils l'ont fait. Mm. L'on dit tant qu'il n'est pas nigérien, mais récemment on avait fait après son décès, il est mort comme euh, un des meilleurs présidents de la République. Hmm. Mais pourtant, qu'il n'a jamais cassé son côté mauritanien parce que c'est pas les, les, reçoit. Donc, c'est vous dire que c'est une posture politique. Effectivement, il y a de l'opportunisme politique ici. Euh, véritablement disqualifier le candidat qui, est en tout cas favori pour ces élections. Hmm. Vous voyez, effectivement, il y a des gens qui sont en train de saliver. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que cela, arrive. Alors, Donc, c'est dire que c'est une posture politique Maintenant, on va voir. Pour vous, en tout cas, tout ce qui se passe là euh, n'est pas pas basé sur sur vraiment des preuves concrètes, mais simplement des postures politiques. Euh, fondamentalement, c'est une, euh, une posture politique, à savoir qu'il y a de l'opportunisme dans ça. Mm. Mais ce que je voudrais dire, en tout cas, je ne nie pas. la Constitution a parlé de l'expression d'origine. Mm. Maintenant, la Cour a apprécié cela. Mm. Et je dis encore une fois, ça, il y a des étudiants qui ont, en tout cas fait le témoignage. Euh, Bazoum lui-même, il est né au Niger. Ses parents, ses grands-parents, euh, un, intellectuel nigérien, euh, en tout cas, a dit si Bazoum, dans le cas où il est venu, même à, il est venu à pied au Niger, en quittant la Libye, donc des années 80-70, qui a du, pétrole, pour venir aller à Daskar, il faut lui faire une, une statue. Donc, pour dire qu'en réalité, ce n'est pas. Euh, Alors, nous allons poursuivre toujours dans ce même chapitre. On a vu qu'en dehors de ces candidats qu'on a annoncés, on a vu euh, cette sortie médiatique, euh, en tout cas inhabituelle, celle du général à la retraite Salou Jibo, président du parti PJP dubara Ce dernier a invité les partis membres du CAP 21 et a convié également la presse pour une déclaration dans laquelle il a annoncé sa volonté aussi d'introduire une requête à la Cour constitutionnelle contre toujours l'éligibilité de ce candidat, Bazoum Mohamed. À ce sujet, toujours, on a vu également, on l'a annoncé, l'a suggéré tout à l'heure, aussi l'Alliance pour la paix et la République APR, dirigée par Seyn qui a également fait un communiqué dans lequel il appelle les membres de la Cour constitutionnelle au respect notamment de la Constitution et les lois de la République dans les jugements et contentieux portés devant la Cour constitutionnelle. Alors, comment analyser ces réactions en cascade et, et ces sorties euh, j'étais venu à reporter à la déclaration de Salou Jubo et il avait dit il va parler en tant qu'ancien chef d'État. Hum. Il est président du PJP de Bara. Hum. Mais il a pris le soin de dire qu'il va parler en tant qu'ancien chef d'État. Et à résumé, je retiens deux choses. Il dit qu'il a, une requête à déposer pour contester la de Bazon. Hum. Et deuxième élément, il a appelé le président de la République à convoquer le Conseil, de, la République. Parce qu'en son sens, il y a péril à la, demeure. Donc ici, vous voyez, une des premières observations que j'ai fait par rapport à, son geste, hmm. euh, pourquoi Salou Jubou a attendu même euh, au lendemain des élections locales Et ça, c'est un argument aujourd'hui du pouvoir, en tout cas du PNDS, c'est parce qu'effectivement, ils ont vu la tendance qu'ils que, ont perdue. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, le euh, ce débat se faisait pendant plus d'un an. Salut j'ai était là dans ce pays mm. et n'a pas voulu l'apprécier. Donc, on dit que c'est parce que peut-être le, le, vote de Lomana. Mm. Bref, en, tout cas, il est venu sur le, sur sur tard. Mm. C'est son bon droit. Mais la question, et effectivement, l'autre observation à faire, c'est effectivement les invités de marque. En plus de gens de la CAP 2021, il y a le Albadeï de Jamahouya qui était là. Son Omar n'était pas venu, mais il s'est fait représenter par euh, en tout cas, un représentant en tout cas. Mm. Mm. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, nous sommes. Euh, mais est-ce que cela ne va pas, ne va pas au-delà du simple fait qu'il a fait un mauvais score, entre guillemets Non, je ne le dis pas, mais je constate qu'il a fait ça sur, le tard. Mm. Mais aussi, c'est le temps euh, de menace des institutions, parce que tout se passe comme si ça Salou c'est Salou le poutiste. Il pense en tout cas peut-être qu'il euh, est encore puissant comme il était hier pour menacer les institutions. Et je pense que véritablement, euh, quand vous suivez en tout cas cela, et l'autre élément, ce que je viens de dire, Salou euh, Jibo sa prétention, si la Cour constitutionnelle effectivement ne disqualifie pas Bazoum, ça je peux le dire en tout mm. cas à partir de ma lecture, entre les lignes de son message, mm. Mm. ce qu'elle n'aurait pas dit le droit. Et ça, vous voyez, je dis encore une fois. Je, me rappelle, il, a, dit par exemple que euh, la suite des actions qui seront amenées à, à accomplir des actions. vont dépendre de la ah, décision de la Cour constitutionnelle. absolument. Donc, c'est-à-dire que c'est cela, en fait, lorsque maintenant, que, lorsque maintenant la, Cour constitutionnelle, en tout cas, euh, on doit la laisser trancher, mais voilà pourquoi, effectivement, dans ces conditions, au-delà de la posture politique, il va falloir laisser le peuple trancher. Hmm. C'est ça aussi l'autre aspect qui nous parle. En quoi faisant à laisser effectivement tout le monde euh, euh, aller voter. Mm. C'est-à-dire ici moi, je pense que nous sommes à moins, Pour aller voter, il y a quand même des conditions à remplir. on est d'accord. Avant d'aller voter, il faut remplir les conditions. en fait, ici, ce qui est important, le processus, en tout cas, déjà, la Cour a apprécié par deux fois. C'est important mm. parce que les juristes disent que, vraiment, si on n'a pas tendance à, en tout cas, à tout simplement décrédibiliser les institutions, vous ne pouvez pas demander deux fois ce qui est, apprécié, et maintenant, si vous n'avez pas de nouveaux éléments, et je dis encore une fois, si jamais ils n'ont pas de nouveaux éléments, leur requête va être rejetée par la Cour. Bien. Alors, Hassan Boukar, on a vu cette sortie médiatique de, de en tant que, qui a rendu une déclaration en tant qu'ancien chef d'État. Et euh, Suleiman le rappelait qu'il y avait aussi des invités de marque euh, qui étaient conviés à cette, à cette rencontre. Alors, comment vous analysez cette sortie, en tout cas inhabituelle Moi, je comprends. Je comprends ce que Suleiman est en train de dire et chacun est censé le dire. C'est-à-dire, euh, normalement, dans un pays, si on dit euh, lorsque la Cour concernera une décision, normalement, c'est la fin. Il n'y a pas d'autre recours possible. Mm. Mais je rappelle que avant Salou ce n'est pas passé inaperçu. C'est quand mm. même un avocat mm. qui a quand même commenté cette décision de la Cour. Et pour le profond de droit que je suis, j'ai l'impression que lui-même, il est surpris de la décision de la Cour. C'est comme si cette décision va contre la logique. C'est vrai, c'est un avocat, c'est partisan, il a un client à défendre. Mais en même temps, il pose un certain nombre de questions qu'une partie de l'opinion épouse. Mais rappelons aussi, ouvrons les yeux et regardons le contexte régional et international. Les décisions de la Cour constitutionnelle soulèvent souvent beaucoup de débats, pas seulement chez nous, mais aussi ailleurs. Lorsque tout le monde n'est pas juge, mais chacun s'est fait une idée de la logique et de la justice. Lorsqu'on a l'impression qu'une décision d'une instance aussi importante que la Cour constitutionnelle euh, heurte la logique. Qu'est-ce que j'ai dit heurte la logique C'est-à-dire que les gens ont l'impression que par rapport à une situation, voilà ce que veut la logique. Hmm. Mais dès lors qu'ils ont l'impression que la décision, qui peut être légale, tout à hmm. fait légale, c'est la Cour qui l'a rendue, c'est légal. Et donc, même si elle est légale, si les gens ont l'impression, pour une raison ou une autre, à tort ou à raison, qu'elle heurte la logique, les gens posent des questions. Je pense que dans nos pays, surtout lorsqu'on est dans un contexte où avant déjà l'élection, l'opposition avait déjà pointé le juge constitutionnel en disant on n'a pas confiance à ce juge constitutionnel. Ils ont dit un certain nombre de choses que tout le monde connaît. Il y a même un livre blanc, je crois, dans lequel ils ont déjà stigmatisé. Alors, je pense que c'est à la suite de, à la suite de tout ça qu'on a cette sortie de la paire et de Salou on peut dire, ça salut, bon, mais la PR fait partie de la majorité présidentielle. Ne l'oublions pas. Ils sont restés avec cette majorité jusqu'à la fin. Mais eux aussi, ils interrogent. Et dans leur communiqué, ils disent non seulement les citoyens, mais même les spécialistes se posent des questions par rapport à cette décision. Alors, est-ce que, est ce que vous vous interrogez aussi par rapport à cette, euh, à cette sortie qui vient à un moment donné, au lendemain des élections locales Tout à fait. Je veux dire par rapport à certaines questions importantes le fait qu'une institution comme la Cour concernant rende une décision, ça veut dire que du point de vue du droit, vous n'avez pas à revenir là-dessus parce qu'il n'y a pas de recours. Mm. comme seulement l'a rappelé, euh, par exemple, quand Salut je vous dit je vais réintroduire une nouvelle demande, c'est comme s'il dit votre première décision ne me donne pas satisfaction, donc je vous demande de juger de nouveau. Hmm. Comme si, et eh, si on prolonge, c'est comme si, non, la décision que vous avez rendue, elle ne m'arrange pas, je veux une autre décision. Hmm. De ce point de vue, ce n'est pas acceptable. Hmm. Mais je veux dire, le fait qu'une institution face à un problème aussi important que l'élection du président de la République, le fait qu'il nous court rendre une décision ne vide pas totalement la question aux yeux des citoyens. Il peut toujours avoir euh, au sein d'une partie de l'opinion le sentiment que la décision de la Cour, elle n'est pas bonne. Et qu'est-ce qu'il dit, Salou Jibo dit on va imposer un candidat et peut-être un président de la République. Mm. C'est-à-dire, c'est comme s'il dit le pouvoir en place à un candidat qu'il veut coûte que coûte imposer et peut-être qu'il va le faire élire. Et c'est comme si les décisions de la Cour vont dans le sens justement de, de conforter cette mm. position-là. Et là, je pense qu'ils le font parce qu'ils savent qu'il y a une partie de l'opinion qui s'interroge. Regardez les réseaux sociaux, suivez les discussions publiques. Il y a quand même une partie de l'opinion qui s'interroge sur les décisions rendues par la Cour. Du mm. point de vue du droit, mm. il n'y a pas de recours à faire, évidemment, mm. mais les gens se posent des questions. Et peut-être là où je suis d'accord avec les gens qui disent, par exemple, euh, mettez-vous à la place de Bazoum, lui-même, à mon avis, ce qui l'arrangerait, c'est qu'il y ait une situation claire Mm. S'il y avait une situation totalement claire sur sa nationalité, le premier qui en bénéficie, c'est d'abord lui. Mm. Ça lève tout doute mm. sur sa nationalité. Supposons qu'il soit élu, j'ai l'impression que si cette question-là n'est pas traitée au fond, ça va continuer à le... Au moins une partie de l'opinion va continuer à, douter sur ça. Bon, est-ce que ces déclarations et ces mises en garde, si on peut les appeler ainsi, sont susceptibles de changer la donne de façon pratique Ça va changer la donne comment C'est ça. Si aujourd'hui, euh, Salou Jubo euh, introduit une requête, peut-être que... Je, à la suite de, la, requête introduite par euh, les sept candidats dont on a parlé. C'est ce que je suis en train de dire. Ah. S'il n'y a pas de nouveaux éléments, ça sera toujours rejeté par la Cour. Et, et la sortie d'abord médiatique donc de Salou Jubo, en tant qu'ancien chef d'État, il ne s'adressait pas en fait à l'opinion, mais il s'adressait directement au président de la République. Hum. C'est ça en fait qu'il faut. Et justement, est-ce que est-ce qu'il y a une posture, est-ce qu'il y a euh, quelque chose que le président de la République peut faire dans ces genre de situation Mais en interpellant le président de la République, il veut tout simplement que le président de la République, parce qu'il sait que tout ce qu'il va se faire maintenant, c'est autour donc du président de la République. C'est le président de la République qui peut seul prendre une peut-être une décision pour voir l'intérêt peut-être de la population et c'est ça, en fait, euh, son, discours. Mm. Et deuxièmement, secondo, je ne sais pas si vous vous rappelez du, deal qu'avait annoncé il y a deux ans ou trois ans par euh, Amadou entre Salou et le, président Issoufou. Mm. Peut-être ici, le deal, il y avait peut-être un deal qui ne, lui, aujourd'hui, il voit que Bon, il n'est pas ce que certains, certaines, pensent, certains pensent, mais, euh, ça reste encore des, des, suggestions, mais, ça reste des. Mais, comment se fait-il qu'aujourd'hui, à, à, deux semaines, deux semaines de la tenue de ces élections législatives et présidentielles, juste un jours, donc dix jours, bon, un président, un candidat euh, de son parti, un candidat du PJD comme euh, Doubara, sorte pour réclamer, pour dire euh, euh, au président de la République de convoquer le Conseil de la République. Donc l'objectif pourrait être de, prendre des décisions de dans l'intérêt de la nation, c'est ça Ça devrait se faire, ça devrait se faire depuis. Hmm. Moi, je me dis que ça devrait se faire depuis. Hmm. Mais là, peut-être <laughs> lui seul sait, mais ce que je sais, en s'adressant euh, dans cette déclaration, il s'adressait tout simplement au président de la République. là là, nous allons terminer avec le dernier sujet parce qu'il nous reste <laughs> pratiquement que cinq minutes. Alors, euh, parlons de l'attaque de Tomour. Euh, donc, je le disais, c'est un village situé à environ 115 km de Difa qui a été cible d'une attaque armée entre le 12 et le 13 décembre passé, selon un communiqué du ministère de la, en tout cas, du ministère de la Défense nationale. L'attaque a occasionné la mort de 28 personnes, de plusieurs blessés. Mais a pourquoi des populations de la région de Difa continuent de subir ces pertes en vies humaines depuis maintenant pratiquement 5 ans, malgré les efforts des uns et des autres, en tout cas pour éradiquer cette situation Bon, nous savons que euh, la zone de Difa, de toutes euh, les mille manières, c'est une zone d'insécurité et ça n'a toujours pas, peut-être ça a un peu, à un moment donné, calmé les choses, mais ça ne veut pas dire que c'est fini totalement. Mm. Donc, euh, l'attaque de Toumour, tout le monde, on a suivi, on était surpris en tout cas, de voir que durant quatre heures de temps, ces populations étaient vraiment euh, euh, entourées de Boko Haram qui faisaient ce qu'ils voulaient donc euh, de Toumour. Et mm. vous avez vu 28 euh, morts quand même, c'est pas et plusieurs blessés dans des incendies, dans des noyades. Parce que Toumour c'est aussi cette zone où il y a des déplacés internes. bon, maintenant ce qu'il faut, la question qu'il faut se poser, c'est que c'est de voir la, la situation géographique de Toumour. Euh, pour ceux qui connaissent Tumour et n'est pas loin quand même de Difa, on estime à 115 km, euh, de Difa et à une vingtaine de kilomètres de Bosso. Mm. Où on, à Bosso quand même, il y a euh, des militaires qui sont mm. qui sont stationnés là-bas au niveau donc de Bosso et, qui pouvaient intervenir avant même que Difa intervienne. Mais on se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que les alentours de Tumour a été laissé. Qu'il y ait de, euh, ces euh, genres, euh, d'attaques sans qu'il y ait des, des poursuites peut-être ou, des, interventions à l'heure. Les populations ont été laissées à elles-mêmes. Ça veut dire que dans cette zone, pratiquement, si on regarde, il y avait même pas, les militaires ne sont pas présents dans cette zone-là. Et eh. c'est ça, en fait, qui doit interpeller. Ça hmm. veut dire que comme nous sommes, nous savons que Difa, c'est une zone d'insécurité. Les petits recoins de Difa doivent être quand même sécurisés par des militaires. Hassan Boukar euh, oui, je, dirais... L'attaque de Toumour et puis un mot sur le. On, parlait aussi en titre, j'en parlais, la mort du marcheur de la paix, le nommé Hamani euh, Saka, qui était qui a été tué à Chetimari à l'entrée de la ville de, Tifa. Sur, sur, Toumour, je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est la énième attaque sur Toumour. C'est vraiment la énième attaque. Non, loin de Tifa Non, loin de Tifa, 70 km. Et, et, ils sont là pendant 4 heures de temps. Donc la question que tout le monde se pose. Bosso est à une vingtaine de kilos, ils sont à 70 kilos, de, 70, 75 kilos de différence. Pourquoi il peut, pendant 4 heures, intervenir, tuer presque une trentaine de personnes sans qu'il y ait une intervention de FDS C'est quand même une question que tout le monde se pose. Euh, il y, a, autant de, de monde à Togo parce que dans tous les parages, je pense que les villages, à la suite des attaques successives de Boko Haram, les gens se sont installés ou à Bosso ou sont revenus à Toumou. C'est pour ça que vous avez beaucoup de monde mm. dans des localités qui, en temps normal, en fait, la vie, euh, il n'y a, pas beaucoup de personnes, je veux dire, mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a énormément de personnes qui sont mm. venues s'installer du fait justement de l'insécurité en pensant trouver un peu un refuge. refuge à Toumou. Alors là, vous avez des gens euh, qui sont venus, les liquidé pendant quatre heures de temps, venu tuer, brûler. Et d'après les informations qu'on a, c'est qu'il y a des mouvements importants de population qui sont en train de. Mais, c'est normal. C'est un peu, c'est un peu aussi ce qu'expliquait le gouverneur de en disant, euh, les gens sont en train de partir. Et le plus grave, il dit, ils ne savent pas où aller. Où aller. Et ça, c'est extrêmement grave mm. dans cette zone. Et ça fait cinq ans que ça continue comme ça. Alors, évidemment, les populations ont l'impression que ça va jamais s'arrêter. Mm. Ça fait cinq ans. Le gouvernement, à un moment, au début, avait laissé croire, rappelez-vous de la façon dont les populations de l'actuel ont été déguerpies, les gens avaient l'impression que c'est quelque chose qui s'est terminé au bout de quelques mois, les gens ont quitté leur village. Aujourd'hui, ça fait cinq, on est peut-être dans la sixième année, les gens ont l'impression que ça va jamais s'arrêter. Alors, un mot sur le marcheur de la paix, qui, ces derniers qui voulaient en tout cas apporter la paix C'est un symbole, c'est un symbole qui a été tué, quelqu'un qui se bat pour la paix dans une région qui en a grandement besoin et qui est liquidée aussi par, euh, par ces groupes terroristes c'est vraiment, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Je, je, mes condoléances, je pense que tout, il a le droit aux condoléances de tous ces pays. Je pense qu'il marche au nom de tous les pays avec le drapeau nigérien aux épaules. C'est quand même un symbole pour moi. c'est un symbole qui a été tué. Et là, justement, Mamadou, est-ce que, est-ce que, par exemple, qu'est-ce que l'État du Niger peut-il faire pour honorer la mémoire de, de, de cet de le euh, qui a euh, perdu la vie en, en voulant promouvoir la paix. Ah, avant de parler de Hamani, Isaac, effectivement, pour répondre à votre question, oui, c'est <laughs> C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps que, que je ramasse. Ce que l'État doit faire, justement, c'est que j'ai suivi vraiment le cri du corps du gouverneur de, de Difa, de Issa Alemen, sur un média international. Il a dit clairement il dit aux militaires de craindre Dieu. Et le débat qu'il pose, c'est qu'en tant qu'autorité, premier responsable de la région, s'il parle comme ça, c'est quelque part, effectivement, il doit avoir une défaillance. Hmm. On n'accuse personne. Les autorités militaires, en tout cas, doivent véritablement se retrouver pour dire que le dispositif, en tout cas en place, il doit avoir en tout cas une défense. 4 heures de temps, lui, il a dit 3 heures le jour là. Hmm. Il n'y a pas d'intervention. Ça ne peut pas s'expliquer. Donc, Terminons rapidement sur, le, pour, marcheur euh, parce qu'on a pratiquement épuisé le temps. Ça montre que cette rousse, effectivement, c'est une de communication. Ils savent que le c'est vraiment prendre l'émotion. <laughs> Juste un mot. Les communautés alertent quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, au début du conflit, on a l'impression que les communautés ne collaborent pas. Les communautés alertent dès qu'il y a des signes inquiétants. Mais il n'y a pas de réaction après les alertes. 30 secondes, Mamouna, vous avez moi mot à ajouter. Merci, nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Euh, je rappelle que nous étions en compagnie de nos confrères Elaj Mohamedou Suleiman du journal La Ligne Niger Inter, euh, Maimouna Diado, journaliste euh, indépendante et Hassan Boukar, journaliste la radio alternative. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de ce forum. Mm, le volet technique a été assuré par Issa Lawali, la régie vidéo assurée par je vous rappelle le rendez-vous de ce week-end sur les 45-46 radios partenaires désormais du studio Kalangu pour le programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la fada. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa, mariage des enfants au Niger, ampleur et voie de recours. Et dimanche, le forum en Zarma sur élection présidentielle au Niger, émission spéciale numéro 4. Bonsoir.